Je vous remercie, Monsieur le ministre. Je voudrais vous saluer et vous dire que nous sommes tous à la fois solidaires et fiers de vous voir à la tâche, abattant un effort important au service de notre nation. Les répercussions économiques de la pandémie du Covid-19 retentissent fortement sur le monde du travail les situations envoyées par les inspections du travail et de la sécurité sociale indiquent une baisse significative de l'activité économique dans des secteurs tels que l'hôtellerie, le commerce, le tourisme, la restauration, les transports. De ce fait, la crise sanitaire commence à générer des difficultés de plusieurs ordres dans le secteur de l'emploi avec des réductions ou des pertes de salaire pour des milliers de travailleurs consécutives à des mesures de chômage technique qui, si l'on y prend garde, peuvent déboucher sur un cycle de licenciement massif. C'est pourquoi, M. le Président, la a inscrit dans le programme de résilience économique et sociale qu'il a conçu un important volet relatif à la stabilité macroéconomique et financière pour soutenir le secteur privé et maintenir les emplois. En cohérence avec les lignes directrices de ce programme, M. le Président de la République vient de prendre l'ordonnance numéro 1 2020 aménageant des mesures dérogatoires relatives au licenciement et au chômage technique durant la période de la pandémie du Covid-19 des dérogations évoquées par cette ordonnance, dont la finalité est de préserver les emplois et l'activité économique, s'applique à toute mesure de licenciement ou de chômage technique décidée à partir du 14 mars 2020. L'ordonnance numéro 1 2020 vise, dans les limites de la durée de la loi d'habilitation, d'une part, à interdire le recours au licenciement et d'autre part à garantir un revenu aux travailleurs mis en chômage technique. En substance, l'ordonnance comporte les mesures ci-après. Premièrement, interdiction durant la pandémie du Covid-19 et dans les limites de temps de la loi d'habilitation de tout licenciement autre que celui motivé par une faute lourde du travailleur. Deuxièmement, obligation pour l'employeur, afin d'éviter le chômage technique, de rechercher avec les délégués du personnel des solutions alternatives telles que la réduction des heures de travail, le travail par roulement, l'anticipation des congés payés, le redéploiement des personnels, le travail à temps partiel. Troisièmement, garantie d'une rémunération pour le travailleur en chômage technique, qui ne saurait être inférieur ni au SMIC ni à 70% de son salaire moyen net des trois derniers mois d'activité, en contrepartie de mesures d'accompagnement de l'État au profit de l'employeur. Enfin, quatrièmement, obligation pour le travailleur en chômage technique de rester à la disposition de l'employeur pour d'éventuels travaux ponctuels.

président de la république qui, plan de résilience bi nga nous plan de résilience am am solo bo xam mu ngi jaglel yi mais continuer di am seni président de la république jël na ben ndogal ci alarba bi di plan ñetti fan ci avril ndogal bo ay ponk yu am solo mënees nañ ko ci jukki bi ci jiitu mooy président la république nee na ci waxtu wi nga xam ne ñu ngi dund mbas mi tere nañu bépp dàq liggéeykat ci biiru entreprise te loolu nag mu ngi tàmbali ci fukki fan ak ñeent weeru mars ndax boobu pour mu mën a am rek li koy mën a lal mooy mu am lu ñuy naan faute lourde ñaareel bi mooy président la République dogal na ne kii xëyle maanaam employeur bi dafa war a jéem kën kattanam fexe ba chômage technique bañ a am pour boobu chômage technique bañ a am dafa war a wut mook ñi nga xam ne ay ndaw liggéeykat yi la ay alternative maanaam ay pexe yoo xam ne mën na tax liggéey bi continuer pexe yooyu mënees na ci lim ñu wàññi diiru liggéey bi ñu def liggéey boo xam ne dañ koy ay ayloo mbaabak boog ñu xëcc congé yi mbala ñu yóbbu liggéeykat yi ci yeneen i de travail loolu lépp pour jéem a fexe ba ñu jéem a rëcc ci chômage technique ñetteel bi mooy bu fekkee ne chômage technique mënta ñàkk nañu jàpp ne képp ku ñu yóbbu ci chômage technique sa njaati gi maanaam ki lay xeeloo lim lay fay mënul néew benn SMIC bi mënul néew tam téeméer boo doon am juróom-ñaar fukki da nga koy am ba mott te loolu nag dafa war daw ci diiru feebar bi bi mu fiy nekk ñeenteel bi mooy président de la République dafa dogal liggéeykat bi comme même bu toogee chômage technique dañ koy jox lu am solo ci peyooram dafa war a déglu may gët may nopp ki koy xëyloo bu kooku bu ko wooyee soxloo bu ko wooyee mu mën a wuyu ci lu gàtt def liggéey bi nga xam ne dañ koy sant loolu daal ci lu gàtt mooy ndogal bi nga xam ne président de la République jël na ko maa ngi leen di gërëm